présidentielle 2024, les femmes de l'Alliance pour la République du département de Kermassar investissent Macky Sall comme leur candidat à cause de ses réalisations et chargent l'opposition qui le disqualifie de la du département de Karmassar. Dénonçons de tels actes ignobles, de barbarie jamais vus. Nous demandons que justice soit faite afin que ces agresseurs soient punis par la loi. De l'avis d'éminents constitutionnalistes et même de leaders de l'opposition, la constitution de notre pays vous permet bel et bien de vous présenter pour un deuxième mandat. Ils ont tenu une assemblée générale de mobilisation à Kermassar Nord pour déplorer également les violences exercées contre leur sœur de parti Amin Ndiaye, par ailleurs députée mairesse de Nibi, avant de réclamer justice pour elle. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis que vous êtes à la tête de notre pays, le Sénégal a connu des avancées significatives dans tous les domaines. Nous les femmes de la paix do departamento de Kermassar. Nous vous como comme candidato pour les élections présidentielles de 2024. Pour la coronatrice nationale des femmes de la paire, Ndeye Sali qui était venue présider la rencontre, l'heure et à la mobilisation pour mettre un terme aux violences sous toutes ses formes, avant de saluer la démarche entreprise par ses sœurs du département de Kermassar. Soutenir notre camarade qui a été violenté au sein de l'hémicycle, nous ne pouvons que soutenir cette, euh, décision de la justice qui va tomber, je pense, incessamment pour euh, quand même plus c'est deux de l'Assemblée nationale qui a violé notre camarade Amidia Nidi. Donc je pense que c'est le moment que toutes les femmes du Sénégal et même les femmes d'ailleurs, pour que tout le monde se lève, pour quand même contribuer à cette lutte que nous menons pour que les violences cessent. Ces femmes de la paire de Kermassar qui veulent élire leur mentor Macky Sall dès le premier tour de la présidentielle de 2024 annoncent des tournées de sensibilisation dans toutes les communes de ce département pour atteindre leur objectif. présidentielle 2024 yu ñuy waajal soxna yi nga xam ne ñoo faree ci APR nekk ci département de Kër Massar ñoom tànn nañ Macky Sall ngir mu nekk seen kandidaa nee nañ ndax réalisation yu mucc ayib ba bare yekk lu mel ni xamee opposition bi nga xam ne ne moom warul nekk candidat. ñun jigéenu Kër Massar ñun ñu koy ñaan deuxième quinquennat mooy suñu candidat amuñu plan B amuñu plan A ndax opposition nekk tey ñoo fi nekkoon di naan bu bëggee beneen mandat war na koo am loi bi ko permettre. opposition amu fi ay bandits grand chemin ñoo fi nekk dañu ragal la ñoom ci benn ndaje bu mag boo xam ne dañ ko amaloon ci kër Massar Nord ñaawlu nañ torop fitna yi nga xam ne moom la def seeni i jegeñaale nekk ca ndaw pencu réew mi Ami Ndiaye di wax na ne loolu dañ bugg yoon daldi ci àtte. li ñaawlu rek di dal sunu sœur sunu camarade muy madame Ami Ndiaye maire de parce agression def jigéen lu bon dafa xeewi dóor jigéen dafa xeewi ñu koy ñaawlu ba sa kanamu yàlla. kii di Ndeye Saly Diop Dieng bi nga xam ne moo jiite réseau national jigéen yi nekk ci APR ñeneen jot na ñun ñëpp ñu booloo ngir daal xeex fitna yi nga xam ne moo am ci réew yi rawatina ci jigéen yi gannaaw bi nga xam ne tamit jot naa rafetlu ndaje bi nga xam ne moom na naataango yi doon def.

Venkat